jour, moi tout le c'est si pas moi t'es beau Mon gars les cherche surtout pas à m'égaler, dans la vie il faut te battre pour pouvoir évoluer. des J'observe pour mieux faire, jamais pour te barrer la route, jamais pour t'envoyer fils. Jamais pour t'en vouloir, jamais pour te détruire, fils. J'adore ta réussite sans complète ni préjudice. Sur solo de rester pessimiste, mon espoir est optimiste. tu joues des fruits de tes efforts qui émanent de ton savoir. Pourquoi n'est pas plus les mêmes pour m'afficher comme un miroir à l'image de son gâteau Aska ou le Moro Nabaka? J'ai la foi du Zulu, puis mes bamans à tous les coups. Tu sais, quand tu perds la vie à l'au-delà, tu vas pour vivre. Ici, bah, je me pas construire mon paradis en espérant maman prochaine si le paradis est sur terre je te dis je suis dedans mon gars ne cherche surtout pas à m'égaler dans la vie il faut te battre pour pouvoir évoluer une de perdu dix de retrouvé Des jours moi ton le quand c'est si pas pour mon grand ne cherche surtout pas à m'égaler dans la vie qu'il faut te battre pour pouvoir évoluer une de perdu dix de retrouvé Des jours naas gasa feenu bii hey yow bu kenn xeex ba de la xool genn mbooloo jàpp nekk benn yoona bii dañ koy taw yi imposé si sunu style lu ci bokk dañ koy seppi lu ñu seppi amul njëriñ bu lu ma ñëe duma sonnoon ndaxte yoon bi ñoo ko bokk jéemal ñefe ba am ëllëg ci biir li nga moom hey yow jugal fi nga toog duniyaa du leen foog bul ma jéem a dab gëm naa ni mu nga def lu ko raw hey yow sigil say waajur fi nga muti sokke ko fi nga muti bàyyee ko andil ndam sa biir réew gis naa sama bopp ca kaw a kaw wasëgdi taw sa tur des labels, ça me donne mon dit blow. Ho! Faut surtout pas à m'égaler. Dans la vie, il faut te battre pour pouvoir évoluer. Une de perdu, dix de retrouvé. Les jours, moi, tout le quand c'est si pas maté pour Mon Faut ne cherche surtout pas à m'égaler. Dans la vie, il faut te battre pour pouvoir évoluer. Une de perdu, dix de retrouvé. Les jours, tout le quand c'est si bas, pas maté pour forwarder. Une fois tu gagnes, une fois tu perds, un feu de ta proie N'est pas tenté d'appuyer sur la gâchette La vie est une voiture à toute allure Où tu dois rattacher ta ceinture et préparer ta monture Autant n'importe le vent, porte à bonheur qu'il est temps Avant qu'il ne soit tard, trop tard Masabu fuhami mutu ni mtu ni mgweni bombaga Ni mduga zada, zamei wana bese wana Bankan dundina, mahabwa idin hari ne cherche surtout pas à m'égaler. Dans la vie, il faut te battre pour pouvoir évoluer. Une de perdue, dix de Les Et je montre le quand c'est si pas pour faut Mon gars ne surtout pas à m'égaler. Dans la vie, il faut te battre pour pouvoir évoluer. Une de perdue, dix de Les Et je montre le quand c'est si pas pour faut Mon gars ne surtout pas à m'égaler. Dans la vie, il faut te battre pour pouvoir évoluer.

babu lodin dingina ba akwai ganhari itilaf din dingina ba akwai ganhari nasar din dingina ba akwai ganhari disco din dingina dindin gina ma akwai kirhari yayi zai bar gargina